utilisation ou gestion courage bi mu am euh, bon jël ay en tant que capitaine mu génn en plein match est-ce que bon nous xolé parcours Côte d'Ivoire ci en phase de poule ak euh, deuxième euh, tour est-ce que mon nañ japp ni Côte d'Ivoire auparavant problème mo nekkone le milieu de terrain. bon suñu nous hors de la canne si nous les cinq derniers matchs de la Côte d'Ivoire c'était ce même milieu de terrain là qui Fofana fait Mm -hmm. Et pourtant, c'est une équipe qui gagnait avec des scores fleuves, notamment leur dernier match où ils ont gagné 6-6. Wow. wow. c'est le dernier match. C'est le dernier match, ils gagné 6-0. Mhm. C'est-à-dire, ils étaient, enchaînés avons enchaîner une victoire. Mm. Mais le problème, c'est que quand ils sont dans contexte match amical ou mhm. match de qualification, il faut que l'équipe soit xadar la ñuy l'exemple de exemple Guinée équatoriale pour moi, képp koo ne Guinée équatoriale dina Côte d'Ivoire 4-0 doo ko mhm. mais Guinée équatoriale dañoo ñëw ak benn affaire efficacité offensive loolu moo nekkoon seen force. Mhm. donc je me dis le contexte su CAN ak contexte match amical parce que mhm. Gasset ba il a enchaîné énormément de matchs ak Côte d'Ivoire yoo xam je pense benn défaite en 15 matchs ou. 16 matchs qualification coupe du monde qualification CAN euh, compris mm. Mm. mais dafa ñëw ci euh, coupe d'Afrique c'est un phénomène Je ne ngi pas comparer mm. Cannes ak Euro équipe qui nga été ni Maroc Maroc au mondial c'est une équipe qui a été dafa ah, Ce n'était pas à eux de faire le jeu mm-hmm. mais suñ ñëwee Cannes, c'est à eux de faire le jeu mm-hmm. contexte est yi la façon yi l'adversaire est di à tout mm-hmm. donc pour man loolu fait def différence mais MS Faye, c'est quelqu'un qui a été moom dund xam na lan mooy contexte car kaam xam comme par exemple ni ko coach doon waxee phénomène psychologique ou de social tissu social bi xam na donc mon ci loolu la basé wu te je sais pas ndax gis nga am na benn image boo xamante ni dafa toog Aurier wër ko Fofana wër ko Gradel wax ko il était en train de parler prolongation contre Mali la woon si je ne me trompe pas madame mm-hmm. mm-hmm. maanaam c'est les cadres ñoo ko woon muy waxtaan ak ñoom mm-hmm. fekk euh, Guy Demel mu ngi ak yeneen joueurs yi di wax c'est-à-dire si tu as bay jël bonne décision. day dem ba ci ñooñu tok ak c'est-à-dire impliquer na ñëpp. Mhm. cadre tamit te soo xoolee pourquoi tu sens importance su cadre Adingra c'est le plus jeune joueur ci groupe bi. Mhm. pourtant c'est le joueur le plus décisif et c'est le joueur qui a enchaîné le plus de imagine à son âge première carte, mu le titulaire en demi-finale mu jouer titulaire en finale devant des pépés, devant des beaux gars, mhm. des joueurs qui ont beaucoup plus d'expérience que lui. C'est-à-dire, mhm. cadrer, amuñu euh, ego boobu non, ego bi neew fi Manam ñom lenn mo leen amal importance moy le résultat final et pour mhm. man résultat final boobu non, payena. Euh, Emerse Faye a eu l'appui de ses cadres il a eu l'appui de son groupe il a eu aussi l'appui de son public ils ont cru en lui donc résultat la mayonnaise a pris et ils ont gagné la guerre oui parce que juste c'est pour que euh, management euh, un euh, entraîneur il faut être honnête. Oui. c'est-à-dire il faut juste juste moi là, moi, que euh, war a jouer moi, jouer. joueurs yi suñu si nous loolu rek rec, ah, loo décision boo jël rek dañ koy nangu. mais suñu amee rek dafa am statut rek dafa am. Euh, voilà dafa un favoritisme rek euh, dañ contester ces décisions. mais su que on le ko mais dañuy wane ko ils ne sont pas impliqués. Mm-hmm. mais suñu xamee par exemple que effectivement qui yow tey seulement moo en forme. Nous en forme jouer en forme équipe mais décision donc donc il faut juste c'est important oui oui donc euh, rapidement coach euh, est-ce que mon nañ tu question à qu'est-ce qui a fait perdre le Sénégal ou euh, était soutien